de cet événement politique qui nous réunit en tant que responsable, en tant que responsable de Benno Bokyakar dans la région de Dakar, une nouvelle dynamique a été créée depuis, euh, depuis plus d'un mois, deux mois, pour travailler ensemble, unis, dans le cadre des parrainages. Durant ces deux derniers mois, nous avons eu à sionner le département de Dakar pour collecter des parrainages et faire collecter des parrainages pour le candidat Amadouba. À cet effet, beaucoup de nos, beaucoup de nos, beaucoup de nos frères et sœurs, camarades de Benno Bokyakar, ont eu à participer à cet effort, à cet effort politique pour la continuité des, des progrès démarrés par le président Macky Sall dans le cadre du PSE. Le président Macky Sall, comme vous le savez, a choisi le Premier ministre Amadouba comme candidat. Amadouba, notre candidat qui habite à Dakar, qui est né à Dakar. Donc il est nécessaire et il était nécessaire que le département de Dakar, la région de Dakar, euh, se mobilise durant cette phase de parrainage, qu'il y ait de l'animation dans les communes et permettre à Benno Bokyakar d'être prêt euh, pour cette grande fête démocratique que sera l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je remercie tous les responsables de Beno Akar dans le département de Dakar, mais aussi à Pékin, à Guédiawaye, à Kermassar, à Rufisque. Ils ont pu collecter 122 576 parrains qu'on a pu collecter aujourd'hui durant cette journée euh, du, du 24 novembre. Je remercie aussi ceux qui sont venus de quelques autres régions et qui ont amené plus de 13 000 parrains. Donc je disais 122 000 parrains, plus de 85 000 dans le département de Dakar, 16 000 ou 17 000 dans le département de Pékin, euh, Kermassar 3 000 parrains et euh, les autres régions environ 13 000 parrains. Nous avons aussi, euh, nous avons aussi assisté à un événement malheureux. Il y a eu quelques bousculades dues peut-être euh, à, quelques difficultés d'organisation entre responsables sur des questions de sièges ou de places assises, mais il n'y a eu aucun différent entre des responsables de Benno Bokyakar. Ce qu'il y a eu, c'est juste des bousculades dues à des places assises ou ce genre de choses. Donc nous nous en excusons devant tous les responsables, devant tous les citoyens sénégalais, parce que l'essence d'un parti politique, ce n'est pas la bousculade, ce n'est pas les disputes, c'est plutôt l'union un projet, le progrès pour le Sénégal. Donc c'était un peu euh, ce message que je voulais donner. Féliciter tous les membres de et Bokéakar, mais féliciter aussi tous les responsables de la région de Dakar et particulièrement ceux du département de Dakar qui ont fait ce travail. Je voulais leur dire que le parrainage est qu'un échauffement. Si nous prenons un peu, euh, si nous considérons l'élection du 25 février 2024 comme un match de football, nous devons comprendre que le préalable, c'est l'échauffement, c'est la préparation physique. Et le parrainage, c'était la préparation physique. Donc, durant ce mois de décembre, nous commencerons à entrer dans les départements de Dakar, dans la région de Dakar, pour aller voir les électeurs, pour aller voir les associations, pour rencontrer les forces vives et leur proposer le projet, le programme de notre candidat Amadouba. La politique, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la rencontre entre des citoyens et des acteurs politiques qui ont un projet un projet pour bâtir le destin de notre nation. Et c'est la raison pour laquelle nous les appelons à beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de souplesse, d'ouverture, de dialogue avec les populations pour proposer ce projet qui sera le projet de notre candidat à donc je vous remercie, je vous remercie nga parrainage au département de Dakar nga dynamique gis rek ne Dakar dafa wara a yëngu Dakar dafa wara am taxawaay ndax am amna ñaari élection yu fi jitu muy élection locale ak élection législative li ñu ci bëggoon yëpp yalla deful ñu am ko yalla moy dogal loolu waye nak ñu continuer di liggéey ñu continuer di liggéey ndaxte japp nañ ne fi ñu jëm muy élection euh, présidentielle 2024 bi ñu ñëw dañu wara fexé ba suñu candidat bi nga xamné japp nañ ne moy candidat bi gëna baax bi gëna am jaar-jaar bi gëna am expérience gëna am yéene. ñu aar ko puus ko jàppale ko ba mu mën a continuer liggéey bu rafet bi nga xam ne président Macky Sall tàmbali na ko loolu nag jàpp nañ ne bu doon dañuy jël métaphore li tubaab di wax métaphore maanaam euh, dañ koy misaal bu doon match football la dañ jàpp ne échauffement bi mooy parrainage bi mooy waxtu wi nga xam ne dañuy waajal suñu bopp natt suñu doole wër xool lan lañu am département Dakar ñun ñi rek nga xam ne ñoo bokk ci benn dynamique buggoon Dakar yeewu Dakar taxaw Dakar am taxawaay ba ñëpp xam ne ñu ngi liggéey ndax candidat bi fii la dëkk candidat bi fii la juddoo candidat bi fii lay yeewoo ñu def liggéey bu mucc ayib boo xam ne day tax ku ñu gis xam ne kat am nañ détermination te du ñu bëgg li nga xam ne am na local 2021 am ko ci li nga xamante ne moom mooy mille local 2022 ak législative 2022 muy résultat yoo xam ne du li ñu gënal ñu bañ a am jafe-jafe yooyu loolu nag tax na tey liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci ñaari weer yi

lépp lu fay mbootaay lépp lu fay ASC lépp loo xam ne rek ay nit ay sénégalais ak ay citoyens la dajale ñu mën leen a seeti waxtaan ak ñoom ci projet ak programme bi nga xam ne candidat du Ba ak benn Bokk Yaakaar teg na ko ñu mën a janook ñoom waxtaan ak ñoom ndaxte politique nag du sànnantey xeer du buuxante du dóorante politique waxtaan la gis ngeen ñoo ko doon def sax fi ñu mujjee li am mooy waxtaan waxtaan ak sénégalais yi sénégalais yàlla may na leen xel yàlla may na leen ñu xam politique xam li ci seen cër donc li war mooy jëf yi ñu jëf bilan wu président Macky Sall programme mu kandidaa Amadou Ba ñu xam ko jaxasoog nit ñi wàcce suñu bopp seeti leen waxtaan ak ñoom déglu leen li leen ci neex ñu xam ko li leen ci andil njàqare ñu xam ko bu ko defee ñu corriger ko bu ko defee élection yi ñu am ci ndam continuer liggéey bu am solo bi nga xamante ne moom lañ tàmbali woon sànq nag am na fi jaxasoo bu fi xaw a am ndax nag wax dëgg yàlla département de Dakar dafa gëj dajé dafa gëj am mobilisation bu toll nii daje bi nak bu amé xër ak yooyu taxna bu ba buuxante am ci ci ay problème place bu ñu toog ak yu démé nonu ba tax ciow xaw fi am lool nak ñu si tuub dul suñu bëgg-bëgg waaye du kenn ku fi joté kenn di dafa di rek xër ak bëgg mobiliser ak bëgg woné Benno Bokk Yaakaar ak dynamique bi nga xamné yëkëti yëkkati nañ ko pour fal candidat Amadou Ba bi nga xamné moy candidat président Macky Sall di candidat Benno Bokk Yaakaar donc lool mo doon kaddu yi ma gërëm leen sant leen déclaration rek lañ bëggoon def bañoon téye leen lu gën a yàgg ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf Votre application cnews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information cnews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.